Ah, oh, ce juif-là, il me fatigue encore. Allons voir ce qui se passe. Il ne nous est pas permis d'aller de loin en quoi Pourquoi accusez-vous alors Il est contre l'empereur, il fait du roi. Moi amenez ah, le contradictoire. Parce que d'autres doivent dit. Est-ce que je suis juif, moi Ta nation. Et grand prêtre ton livré à moi. Qu'as-tu donc fait Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gardes se seraient battus pour que je ne puisse pas être devant. Non, ma royauté n'est pas de ce monde. Tu es roi, non hein? Tu l'as dit. Oh Je suis venu rendre témoignage de la vérité. Écoute-moi toi qui vérité, écoute ma voix. Dis-moi, qu'est-ce que la vérité <laughs> Non, ce n'est pas un criminel, c'est un rêveur. <laughs> amenez-le, amenez-le qu'il soit fragilisé. Cela devrait satisfaire notre justice et les réveiller un peu. Barabbas et Jésus. Alors, mais on ne peut pas décider. C'est une erreur de relâcher Barabbas. N'oublie pas qu'il a tué eux de nos soldats. Aïe! Jésus est un sorcier En tout cas, si c'est un sorcier, il n'est pas comme les autres. Il n'utilise aucun remède ni aucun fétiche. Il dit seulement confiance, ta foi t'a sauvé. Crois-tu que Dieu est de son côté C'est la question que je vous pose. Si chasse les démons, c'est qu'il est plus fort que nous. Et comment dire que Dieu est de son côté lui qui est né dans une famille pauvre, il fréquente les voyous de Jérusalem. Il se promène au grand père Pilate, je te redis pour la dernière fois, ne te mets pas de cette affaire, car cela risquerait de se retourner contre toi. Dieu tout. Tout vient tu Mais dites-moi quelque chose pour la défense, C'est la mort que je cherche. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher Tout comme j'ai le pouvoir de te faire tout suffire Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela n'était donné là-haut. Voici l'homme. Il doit être mis à mort. À mort. À mort. Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Eh bien, selon nos lois, cet homme doit mourir pour cette proclamé fils de Dieu. D'ailleurs, il est de coutume que je relâche un prisonnier. Quand je vous priez, vous ne pas. Qui voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus quand on appelle Messie Barabbas Barabbas Qui Ce brillant Barabbas Barabbas Et que à alors de Jésus À mort À mort Crucifiez-le Crucifiez mon droit Nous n'avons pas le droit de l'empereur César Assez Assez Je suis innocent du sang de cet homme. C'est votre affaire. Nous, Nous notre Ce soir, nous passerons au Golgotha pour nous assurer qu'il a bien été crucifié. Nabu! la là, c'est sa mère. Femme, voici ton fils. Fils, miséricorde inépuisable. Lâche-moi ton pardon. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. A dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. Voici la coupe que contenait le vin. Jésus a dit, ceci est mon sang, versé pour tous en rémission des péchés. Voici le bassin que Jésus a utilisé pour laver le pied de ses disciples en signe d'amour. Il a dit, le plus grand dans mon royaume, c'est celui qui se met au service des autres. Voici le vrai de Jésus, celui et pourtant il est moi. Qu'est-ce qu'il vous a fait Il a passé sa vie à faire le bien. Pourquoi l'avoir tué Il a ressuscité Lazare. Il a guéri la l'aveuglé. Il a eu pitié de la veau. Il nous a donné à manger. Il a pardonné à Zaché. Pourquoi l'avez-vous tué Péché. Tout le monde m'avait condamné mais lui m'a pardonné. Pourquoi l'avez-vous tué Ce sont les prêtres qui l'ont tué. Lui, Jésus leur a dit trop de vérité. Il leur a dit, hypocrite, vos blanchi, vous êtes pourris d'orgueil. Vous les prêtres, vous imposez des lois que vous ne respectez pas les marchands aussi ont tué Jésus. Il les a chassés du temple et leur a dit Malheur à vous les riches qui ne partagez pas votre richesse. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. et les apôtres. Pourquoi n'ont-ils pas suivi jusqu'au bout Et même Pierre a juré qu'ils ne le connaissaient pas. Ils l'ont tous abandonné. Mes enfants, le cœur comme une épée. Plusieurs fois, j'ai averti Jésus qu'on lui en voulait qu'il devait se taire, car on ne supportait plus ses critiques. Mais Jésus m'a toujours répondu, Femme, je dois être aux affaires de mon Père. Je suis venu pour que la lumière brille dans les ténèbres. Il faut que le monde sache que Dieu aime tous les hommes et qu'il est le défenseur des faibles et des petits. Pourquoi l'avez-vous tué C'est des hommes qui l'ont tué. manifesté en son Fils. D'autre part, dans l'intercession pour le monde tel que Jésus l'a vécu en souffrant sur la croix, une telle démarche ne peut se faire que dans la perspective de, de sa résurrection à Pâques. Le chemin de croix apparaît donc comme un pèlerinage en esprit c'est pourquoi il touche celui qui l'entreprend sous trois aspects. La marche pour épouser les sentiments du Christ. Il est nécessaire d'avancer pas à pas pour entrer dans les profondeurs de l'amour du Père. Il faut qu'un chemin se creuse de station en station. Le déplacement physique invite à un déplacement intérieur. Il s'agit de se laisser façonner par la marche, de suivre le Christ pas à pas, de nous laisser conduire sur le chemin qu'il emprunte et non de le, de le précéder. Il s'agit d'entrer plus profondément dans notre condition de la méditation qui nous invite à la miséricorde du Père, en même temps qu'il est invité, en contemplant Jésus anéanti sous les coups de la passion, à reconnaître en lui le Christ, serviteur de l'amour du Père pour notre humanité. L'intercession tout pèlerinage s'accompagne de prières. Dans le cadre du chemin de croix, la prière voudrait prendre en charge toutes les situations de souffrance, d'épreuve, de détresse, de mort que nous rencontrons autour de nous dans la vie quotidienne. Toutes les vies des hommes de ce monde que le Christ dans son mystère pascal. Salam alaikum wa Sénégal salaamaaleykum mbokki internet Dak Medina. yi amaat ak contentement bu baax bax di andat ak yeen. Euh, tay nak ñu ngi fi nga xamanteni ni modi euh, église Saint-Jean euh, ñu ñew tay ci nga xamanteni ni modi saint vendredi saint ñew nañ dugg nañ ci biir gis nañ ay pièces théâtrales gis nañ nga xamanteni ñoy interpréter le rôle de Jésus gis ñeneen ñi nga xamanteni ñoy ñooy interpréter d'autres rôles mais aussi dañuy ñew tàllal leen nga xamanteni moy suñu mbokk chrétien suñu micro ñom ñu gën jox ay leeral ci mbir mi ça va ça va maa ngi si jàmm. Euh, dañ doon laaj aussi li nga xamante ni nan ngeen dundee li nga xamante ni moo di seen fête bi. nan ngeen ko dundee. waaw carême bi ça s'est bien passé dans l'ensemble on a bien jeûné on a bien partagé on a bien prié yëpp yi nga xamante ne carême bi laaj na ko rek def nañ ko. gis nañ fi fii aussi ay pièces théâtrales fa mel na ci nga bokkoon nan la demee loolu. waaw si la bokkoon man maa doon joué Pilate. léegi mën na nga nu expliquer tuuti si Pilate. waaw Pilate moo doon moo gouverneur bi danaka moo gouverneur bi moo ki nga xamantene mom la grand prêtre yi jël indil ko yeesu ñu koy indilee yeesu moom moo naroon jugé yeesu mais pression peuple bi mënul won ak pression peuple mënul won bàyyi Jésus mu dem il fallait mu top peuple bi si la leen livré pour ñu dajiko ci croix bi dal légui ani ngalaxi nag. waaw ngalaxi mi ñu fi de bonjour monsieur. bonjour. On voit qu'aujourd'hui, c'est votre vendredi saint et on vous a vu tout à l'heure sur la piste interpréter le rôle de Jésus. La scène, c'est comme le montre la scène. Quoi. Il faut juste euh, savoir bien parler et vivre, être sérieux, vivre, dans, vivre le Christ, ce que le Christ a vécu, aider les gens à mieux vivre le chemin de croix. C'est juste ça. Peux-tu nous dire un peu sur l'histoire L'histoire. L'histoire de Jésus. D'abord, euh, on a commencé à comploter Jésus. Les grands-pères ont d'abord parlé de Jésus pour le faire tuer. Après, ils ont, ils ont pris les commerçants comme euh, clé, comme une clé de sortie pour pouvoir le tuer sans, être euh, accusé. Après, il y a la scène aussi. Il y a la scène où Jésus fait son dernier repas, lave les pieds de ses invités, où il annonce aussi sa mort. Et il y a aussi euh, le jardin des Oliviers, là où tout commence, là où, tout, là où Judas le trahit à la fin, on a Pilate. On est... Il y a Jésus aussi. Avant la fin, il y a Jésus dans le... au grand conseil. Là, Jésus, est, là devant tous les grands prêtres. Il dit que c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le roi, tout ça. Après, il rend visite à Pilate, où Pilate l'accuse, le, tue et le crucifie par l'avis du public. en tout cas, je vous ai suivi, mais tu as bien assuré ton

ndax sunu mucc. gis nañ euh, émotion yi nit ñi parfois di jooy si seen chaîne bi ñu doon montré léegi. dëgg la ndax vendredi saint daf ñu yóbbu fu sori xëy na peut-être on peut dire que c'est des années avant mais c'est un mystère boo xamante ne ñu ngi koy dund te dinañ ko dund ba bés ba ñuy fekki sunu borom Yeesu Li, lii dafay def ñu xoolaat li Yeesu def ci ñun donc dafay retracer la vie de Jésus. waaw ñun ñi ko fekkeewuloon xëy na physiquement. ko tey nag ñu ngi koy dund ku nekk ci sa ni nga ko mënee waaw c'est un mystère daal c'est un mystère vraiment.